Euh, benen bi euh, l'atelier de capitalisation mom dañu ñëwone pour euh, woné ban approche lañu utiliser ban approche lañu utiliser approche bi nak ci ñeen ñeenti poñ juróomi le la ci il faut ñu accepter d'abord la corruption prendre conscience bâtir une stratégie diagnostiquer le secteur vulnérable à la corruption euh, mettre en œuvre les initiatives à résultat rapide ou bien les actions planifiées et les évaluer. Donc, ce matin nous ñi ngi cadre qui wa nous présenter la stratégie nationale de lutte contre la corruption parce que ni avons ko le euh, président Tiffany fan lancé le président présider de lancement du rapport euh, sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption donc nous présenter ko pour y a lien mo ci am ak ñun li ñuy def au niveau des collectivités territoriales suñu jógee ci lool nak dinañ ñëwaat ci résultat yi bi ñu projet bu paré lan lañ ci am comme résultat lan lañ ci mëna jàngat comme leçon lan lañ ci mëna jàngat comme enseignement yan lien la ñuy def ak suñu politique publique ak suñu agenda internationaux ak yan jafé-jafé la ñu rencontré donc lii moo doon colos liggéey bi tey. Le projet OFLOC, c'est un projet de lutte contre la corruption le blanchiment de capitaux qui est initié par Enda Ecopop avec l'appui financier de l'Union européenne. Depuis 2019, on a lancé le processus dans cette collectivité territoriale. Euh, depuis avant-hier, euh, le 4, on est euh, à l'hôtel Fleur de Lys pour faire le partage des connaissances et faire la capitalisation. Donc le 4 et le 5 a été un moment de partage de connaissances où chaque collectivité territoriale a partagé une initiative. J'en prends juste quelques. Euh, Dalifort a partagé une initiative euh, sur euh, un, outil très intéressant qui s'appelle Yécité. Yé qui veut dire réveiller, réveiller la cité ou mettre de la lumière sur la cité, qui est un outil de feedback citoyen et de gestion des plantes. Un autre exemple a été l'initiative de Durbel, qui a été une, une initiative en synergie avec plusieurs associations qui se sont regroupées en collectif pour mettre en place une stratégie euh, d'enregistrement des naissances pour permettre un peu aux non-inscrits d'avoir euh, des actes de naissance. Donc, euh, mm, je prends juste ces deux exemples, mais il y en a, sept initiatives qu'on a partagées hier. Et aujourd'hui, on est en train de faire la capitalisation. Le premier temps fort a été de présenter les, grandes étapes de l'approche de mise en œuvre, de l'approche de prévention et de lutte contre la corruption qui s'articule sur cinq points. Euh, accepter, bâtir une stratégie, faire le diagnostic, élaborer, le, mettre en œuvre euh, et suivre, suivre, et évaluation. Donc euh, après cela, on a projeté, on a partagé un film de capitalisation qui revient toujours sur l'approche de prévention et de lutte contre la corruption. Actuellement, on est en train de partager la stratégie nationale de lutte contre la corruption élaborée par OFNAC, euh, qui a été euh, partagé en 2019, le rapport. Donc pour essayer de faire le lien entre les politiques nationales, mais aussi ce qu'on est en train de faire au niveau territorial. À la suite de cela, nous allons partager les, maintenant les résultats du projet, en revenant sur les résultats quanti, les résultats quali, en revenant sur les enseignements tirés, sur les leçons apprises, en revenant sur euh, les limites en revenant aussi sur les liens avec les politiques publiques et agendas internationaux. Toutes les initiatives se valent, toutes les initiatives sont bonnes, parce que toutes les initiatives dépendent aussi de la spécificité du, territoire. Donc on ne peut pas dire que l'initiative d'Alifor est meilleure que l'initiative de Duruel, non. Toutes les initiatives se valent. Euh, maintenant, ça dépendra euh, des autres communes. Ils vont voir sur les sept communes quelle est l'initiative qui peut être adapté au niveau de leur territoire et de le choisir. Mais toutes les initiatives, ça va.